Il est 18h15 à Niamey, euh, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème la valorisation et la consommation des produits locaux, défis et opportunités du secteur. Les produits MED et Niger sont compétitifs sur les marchés régionaux et même internationaux. Les plus connus sont le lait, la viande, l'oignon et ceux de l'artisanat. Des produits qui font la fierté des producteurs restent à convaincre les Nigériens à consommer local. Avec nos invités, nous allons parler des défis, des opportunités et voir quelle stratégie adopter pour que les Nigériens consomment nigériens. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio B Rabi Mahamadou Arzika, promotrice de la campagne 100% Niger. Rabi Mahamadou Arzika, Bonsoir. Seydou Souley Mahamadou, directeur général Impact comme média, promoteur privé. Seydou Souley Mahamadou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Soumaïla Abdou Sadou, administrateur, écrivain et consommateur comme nous tous. Soumaïla Abdou bonsoir. Bonsoir, monsieur Mokhtar. Au micro, Mokhtar Hamadou. Rabi Arzika, pourquoi ce combat consommer les produits made in Niger Ce combat, on l'a commencé depuis euh, maintenant, bientôt on est de la deuxième année. C'est partant de, beaucoup de constats, des constats qui sont là, perceptibles par chacun de nous, du fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de projets qui sont en train d'investir dans la production au Niger et beaucoup d'efforts quand même qui sont parallèlement faits du côté politique en termes de l'assainissement de l'environnement des affaires et beaucoup d'atouts aujourd'hui quand même que le Niger a eu qu'on n'a pas pu exploiter très tôt. C'est-à-dire en termes de production artistique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de production exotique, culturelle, je pense qu'on n'est pas à la traîne. simplement, ce qui avait manqué pendant longtemps, c'était le positionnement commercial des produits du Niger qui ne s'est pas fait de manière très visible. Le positionnement commercial, ça veut dire Le positionnement commercial veut dire arriver à trouver une place pour vendre les produits nigériens. On avait fait ce constat et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Vous parlez de l'étroitesse du marché Non seulement l'étroitesse du marché au niveau local, mais aussi euh, le poussement peut se faire à l'extérieur. C'est-à-dire, on peut trouver une place pour nos produits. Nos produits ont un marché à l'extérieur, selon les créneaux. Maintenant, avec euh, la première édition de l'exposition 100% Made Niger, dont l'objectif était essentiellement de voir d'abord les producteurs. Ils sont à quel niveau Et qu'est-ce qu'on doit faire en termes d'accompagnement, qu'est-ce qu'il faut pour réellement les pousser pour les amener à arriver à un niveau qui puisse permettre au Niger de se dire je suis un exportateur ou même dire au niveau interne, on peut désormais dire aux Nigériens vous avez des produits prêts et vous pouvez consommer des produits nigériens. Voilà en fait euh, ce qui nous a motivé à créer la campagne au cours de cette deuxième édition. On s'est dit il faut coupler avec une campagne, une campagne dont on a mis un horizon de deux ans. Pour moi, sur deux ans, ça nous permettrait d'avoir euh, de manière clairvoyante qu'est-ce qui se passe pourquoi les Nigériens sont résistants à acheter les produits nigériens quelles sont les difficultés Quels sont les freins C'est le prix, c'est la qualité, c'est quoi Parce qu'il y a toujours des raisons. Maintenant, quelle est la position actuelle de nos produits au niveau régional Parce qu'il faut se rappeler que notre pays fait partie des États champions pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine. Donc c'est une préparation, il faut qu'on se prépare parce que si on est champion, ça veut dire que tout le monde aura tendance à venir dans notre pays, amener ses produits, mais entre-temps, nous, on n'est pas préparé. On va seulement se retrouver comme que des simples consommateurs. Avez-vous le soutien dans ce contexte oui, on a vraiment le soutien, je pense, à tous les niveaux parce que le premier soutien qu'on a eu, d'abord, c'est le président de la République. Parce que vraiment, il, il s'est affirmé, il a donné des instructions et je pense que tout est en train de se mettre en place pour que cette campagne soit une réalité et que des décisions y sortent parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre, n'en parlons pas, et lui, il est fortement engagé, impliqué d'ailleurs. Toutes les personnalités du secteur privé, notamment le président de la Chambre de commerce et les démembrements, le secrétaire général, vraiment, on a 100% avec nous la Chambre de commerce et les, les opérateurs économiques. Donc, je pense qu'on a un soutien de, de taille. De taille. Rabia Ardika, quelles sont les difficultés ou obstacles qui freinent la valorisation des produits made in Niger pour l'instant, la première difficulté que les jeunes disent comme ça, de manière visible, on va dire non, les produits ne sont pas bons. Mais souvent, les gens, c'est juste des commentaires de rue. C'est parce que les gens ne connaissent même pas les produits. Le premier obstacle pour moi, c'est la, la méconnaissance même des produits. Le fait d'ignorer même quels sont les produits qui sont véritablement produits au Niger. Les gens connaissent de manière classique la maroquinerie, la bijouterie, mais il y a beaucoup de produits que nous achetons ailleurs dont aujourd'hui ils sont produits sur notre territoire, mais dont on ne connaît même pas. Et il y a des produits qui sont là depuis la nuit des temps. Nous sommes nés, nous avons trouvé ça. Et ils marchent toujours. Ça veut dire que ça, c'est des produits qui ont toujours marché. Maintenant, c'était parce que simplement, personne n'a prêté attention pour en faire une industrie sérieuse qu'ils sont laissés. Je vais citer, par exemple, Al-Kaki de Si aujourd'hui, il y a un accompagnement sérieux, ce serait les biscuitiers depuis parce que c'est ça qu'on nous dit sur les biscuits, biscuitiers depuis 1871. Mais nous-mêmes, aujourd'hui, on peut faire de ce genre de publicité sur, nos produits. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a tout. Tous les produits sont là. Aujourd'hui, tout, peut se faire au Niger parce que le Made in Niger, ce n'est pas simplement les produits que les Nigériens ont fait. C'est les produits qui sont produits sur le territoire nigérien. Donc ça peut être quelqu'un qui n'est pas nigérien, mais c'est produit localement, donc on considère que c'est un produit nigérien. Aujourd'hui, je pense qu'on n'en vit rien à ce qui se fait, simplement si on a un choix. L'autre atout qu'on a aujourd'hui, c'est l'engagement des individus. Moi, je trouve beaucoup de Nigériens aujourd'hui, de nouvelles générations, de nouvelles classes, qui ont compris que si eux-mêmes ne font pas l'effort d'acheter les produits qui se fabriquent au Niger, en fait, c'est leur propre développement qu'ils freinent, à eux d'abord. Donc cette nouvelle génération, j'ai entièrement leur soutien. C'est vraiment la la génération de Cédou, de tous ceux qui est les nouveaux directeurs généraux, j'ai leur soutien et je pense qu'ils sont d'accord pour acheter ces produits, non seulement du point de vue institutionnel, mais aussi du point de vue individuel. Aujourd'hui, j'ai des entreprises qui ont fait le choix de n'offrir que des cadeaux des produits nigériens. Depuis la dernière édition, je pense que notre appel a été entendu. J'ai eu plein de sociétés qui nous ont appelé proposer nous des cadeaux, qu'est-ce que vous nous proposez, qu'est-ce que vous avez. donc c'est encourageant. Maintenant, on attend les ménages, mais pour les ménages, je pense que ça peut être influencé par les achats institutionnels. Rabia quelles sont les avancées palpables depuis que vous avez commencé ce combat pour la promotion des produits du Niger moi, la première avancée perceptible que je vois, je commence par le niveau institutionnel, c'est d'abord le marquage de la volonté politique. Parce que j'ai remarqué entre 2017 et 2018, aujourd'hui, j'ai vu un changement au niveau politique. C'est-à-dire, quand je suis parvenu à avoir l'adhésion du Premier ministre de dire plus jamais de J importé à un conseil, c'est déjà une grande décision. Aujourd'hui, ça fait plus d'un mois, il n'y a pas de jus importé qui rentre au cabinet du Premier ministre quand il y a une réunion. Donc, c'est les jus locaux, c'est des galettes du Niger, c'est des trucs. Donc, ça veut dire, déjà, il y a une prise de conscience. Moi, je pense que ça, c'est un soutien de taille. Alors, au niveau des producteurs, il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, tu vas voir, sur les 33, par exemple, jeunes industries que nous avons accompagnés pendant un an, j'ai au moins 17 qui ont compris de quoi il s'agit. Et donc, on a constaté l'amélioration au niveau de la production. L'étiquetage. L'étiquetage, la présentation du produit, la formulation du produit. En tout cas, tout ce qu'il faut pour dire que nos produits peuvent aller à l'extérieur. Personnellement, j'ai même pris ces produits nigériens pour traverser plusieurs États pour voir pourquoi on pense que nos produits ne peuvent pas aller à l'exportation. Pour pouvoir comprendre exactement est-ce que ce qui est écrit sur les papiers et la réalité, c'est vrai. Donc, concrètement, les produits made du Niger sont compétitifs. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui on a, on a atteint ce qu'on veut, mais c'est une, une, première étape. C'est un processus. C'est hein. un processus. Dans tous les cas, je pense que d'ici la fin de la campagne, on constatera vraiment d'énormes changements en fonction des critiques qu'on va recevoir. À quand la fin de la campagne La campagne prendra fin le 1er décembre 2020. Donc sur les deux ans, on a beaucoup d'actions à faire. On a tout un plan d'accompagnement accéléré des entreprises qui ont adhéré à ce processus. On va les accompagner à tout point de vue. On va eh, diagnostiquer le problème de chaque entreprise et en fonction de la situation de l'entreprise, on trouve le partenaire qu'il faut pour l'accompagnement. C'est ça qu'on a fait l'année dernière pour arriver à qualifier certains pour la deuxième édition. Seydou Souley Mahamadou, vous êtes dans la communication mais aussi dans la promotion des services destinés aux Nigériens. Comment vous en Analyser le comportement des Nigériens face aux productions locales Merci beaucoup, Mokhtar. Euh, je pense que le comportement des Nigériens face aux produits locaux, euh, bon, nous tous, nous les connaissons. Nous sommes tous Nigériens. Nous savons individuellement et collectivement comment nous agissons. S'il faut résumer ça en un mot, c'est que les Nigériens, d'une manière générale, aujourd'hui, nous ne sommes pas des gens qui aiment leur production. Nous ne sommes pas des gens qui aiment leur culture. Nous ne sommes pas des gens qui aiment euh, la marque Niger, d'accord Mais... Qu'est-ce qui explique que cet état de fait je vais, en venir. Quand je dis ça, euh, je prends aussi euh, des précautions pour nuancer. Quand je dis nous n'aimons pas, c'est que fondamentalement, au fond, c'est pas que nous n'aimons pas, mais dans nos comportements, il y a des réalités qui nous entourent qui font que le Nigérien n'arrive pas à avoir un certain patriotisme économique. Prenons terre à terre. Les États-Unis, c'est le pays le plus puissant au monde, n'est-ce pas et le Niger fait partie des pays les moins puissants au monde d'un point de vue économique. C'est quoi la différence entre le Niger et les États-Unis Ce n'est pas l'étendue du territoire, ce n'est pas l'intelligence, parce que si on fait un sondage, les Nigériens sont aussi bien intelligents que les Américains, ce n'est rien de tout ça. C'est le fait que, quand vous partez dans un pays comme les États-Unis, il y a un marché intérieur et il y a une conscience claire du citoyen qu'il faut d'abord... Le patriotisme en un mot, vous voulez dire Oui, voilà, le patriotisme. Mais ce patriotisme, ça vient comment D'un point de vue économique. Il y a plusieurs dimensions. Vous savez, par exemple, la dimension politique. Quand on prend des décisions politiques pour encourager la production et la consommation des produits locaux et qu'on inscrit ce genre de politique dans la durée, d'accord Ça, ça peut avoir un impact sur le comportement de chaque citoyen. D'accord Prenons un exemple. Aujourd'hui, je vous prends juste un exemple très simple. Le riz. Le riz, à un moment, au Niger, on a pris des mesures pour dire, par exemple, il faut encourager l'achat du riz local. N'est-ce pas Cette mesure, l'a prise, ben, à un moment, les commerçants étaient contraints. Ils ont même commencé à le faire. Mais il n'y a pas eu d'autres actions qui ont suivi pour soutenir la production. Si bien qu'un commerçant va vous dire, moi, je vais acheter du riz national, mais il coûte cher, parce que vous avez parlé de compétitivité, il coûte cher, je ne suis pas livré à temps, ainsi de suite, et il sera obligé d'aller importer. Donc, du point de vue euh, politique, il n'y a pas eu de politique durant notre histoire, si vous regardez, très forte pour marquer en fait une volonté d'encourager les citoyens à aller vers la consommation des produits locaux. Le seul moment où il y a eu beaucoup cette volonté, c'est au début des euh, indépendances, quand on a commencé à avoir des industries nationales, ainsi de suite, eu un certain engouement. Après, ça s'est émoussé. Et par la suite, durant le régime de Kuntia, par exemple, il y a eu aussi une petite relance de la consommation des produits locaux, notamment grâce au Samaria et tout ce qui s'est... Il y a eu un certain, un certain élan patriotique. Mais c'est là, au fil du temps, on l'a perdu. Résultat, je vous ai fait cette genèse pour qu'on comprenne. Résultat, aujourd'hui, le Nigérien va s'identifier à quoi il s'identifie plus aux produits importés qu'aux produits nationaux. Prenez un exemple. Quand vous, partez au marché, des ministres, des membres du gouvernement qui mais tout le monde, achètent. Euh, mais c'est simple. Regardez, regardez. Allez-y au marché, vous allez euh, voir un commerçant, il va vous dire ça, ça vient de Dubaï, ça, ça vient des États-Unis. C'est ça son argument de vente. Il ne va pas vous dire que ça, ça vient de Tessawa ou bien ça vient de Bilma et c'est de la bonne qualité, d'accord Puisqu'ils pensent que c'est comme ça, c'est ça, c'est comme ça qu'on est conditionné. Et même nous, souvent, le Nigérian pour frimer, il frime en disant, moi j'ai acheté ces costumes en, Turquie, en Thaïlande, et ainsi de suite. Et pourquoi Parce que au fil du temps, on avait fait inconsciemment même du fait d'avoir accès à un produit étranger comme étant un degré de réussite sociale. Et ça, ça a conditionné tout le monde. Et aujourd'hui, D'ailleurs, c'est pour ça que nous tous, on est enthousiastes pour la campagne Consommons Nigeria. Résultat, on est devenu un pays fortement dépendant du point de vue économique. Regardez bien, même là où nous avons des atouts, nous sommes plutôt importateurs que producteurs. Je prends un exemple simple, le lait. On dit bien qu'on est un pays d'élevage, non Mais comment vous pouvez comprendre qu'un pays d'élevage, l'essentiel de son lait est importé En 2015, nous, on parlait de 16 milliards par an d'importation de lait. Récemment, quelqu'un m'a dit qu'on frôle maintenant peut-être les 70 milliards d'importations de lait. Le riz, on est peut-être euh, dans les 400 000 tonnes hein, d'importation. Vous prenez tous les produits. Et tout ça, c'est lié au fait que d'abord, il n'y a pas une vraie dynamique au niveau des politiques publiques pour encourager. Alors, quand je dis les politiques publiques, allez-y vérifier dans le code du marché public, par exemple. Vous allez voir, c'est écrit, il y a des préférences nationales pour les achats. C'est même imposé même aux sociétés étrangères qui viennent s'implanter ou les multinationales, par exemple dans le secteur minier par exemple. Le code des marchés publics ou le code minier a prévu partout où il y a une compétence locale, un produit local, on ne l'importe pas, on l'achète. C'est écrit noir sur blanc, mais qui est là pour s'assurer que c'est fait D'accord Les gens ne le faisaient pas. Donc, moi je vais vous dire, si le Nigérien n'aime pas le produit nigérien, ce n'est pas forcément par sa faute c'est parce qu'il n'y a pas eu le cadre qu'il faut. L'américain n'aime pas le produit américain parce que tout simplement il, est américain. C'est parce qu'il y a tout un... Chez eux, ils ont fait ce qu'ils appellent le small, Business Act. On encourage tous les producteurs, celle qui fait al là. Ça fait des années qu'elle fait al Est-ce qu'on s'est préoccupé à pousser les Nigériens à aller consommer Si on poussait les Nigériens, par exemple, comment certains pays ont fait Vous savez que le plus grand, le plus grand acheteur dans tout pays, c'est d'abord l'État. On a estimé qu'en Afrique de l'Ouest, environ 20% du budget national correspond à des commandes publiques, des achats à faire. Ça, c'est une estimation moyenne. Alors, ces achats-là, admettons qu'aujourd'hui, on a des casernes, non On a des internats. Les internats, il y a combien d'internats au Niger Si vous prenez, par exemple, il va avoir, par exemple, 20 internats au Niger. Dans chaque internat, vous allez avoir, par exemple, 1000 euh, élèves. 20 fois 1000, ça fait 20 000. Si on disait que le goûter dans ces internats-là devrait être al-kaki et qu'ils sont obligés d'acheter, D'accord Si on disait que dans ces internats, lorsque on doit, par exemple, euh, acheter du riz, c'est forcément riz du Niger. Si on dit dans ces internats, lorsqu'on doit acheter l'huile qui va aller dans la cuisine, ça va être l'huile produite au Niger. Vous multipliez ça partout dans les gros achats. On peut commencer par ça. Hein. Vous allez voir que celle qui fait Al-Kaki va s'enrichir très vite. Et quand elle va s'enrichir, elle va continuer à investir. D'accord ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les pays du monde, c'est ce qu'ils ont fait qui a fait qu'ils ont pu créer un succès économique. En France, vous allez entendre parler de la préférence nationale, des fleurons de l'industrie euh, euh, française, n'est-ce pas Qui sont même jalousement gardés. Vous partez au Burkina, vous allez entendre la même chose. Hein. Il y a des secteurs sur lesquels on met le paquet, on n'ouvre pas les vannes pour que n'importe quel produit rentre. Même si les pays ont signé avec l'OMC les accords de libre-échange, tout ça, le libre-échange n'interdit pas la protection de ce qu'on produit localement ou bien sa valorisation. Et nous, au Niger, malheureusement, on n'a pas fait beaucoup ça. Et je vais vous dire, c'est ça qui fait que les Nigériens, aujourd'hui n'arrivent pas à aimer parce que pour aimer, il faut qu'il y ait un cadre, n'est-ce pas Donc, selon vous, les producteurs nigériens ne sont pas accompagnés par le politique Mais justement, en fait, l'accompagnement aujourd'hui, regardez, ce qui est en train de se faire, on est en train d'avoir aujourd'hui un nouvel élan il y a une veille. Moi, je fais partie de ceux qui étaient dans le coulisses de l'organisation de la campagne Consommons nigérien. Et comme Rabi le disait, aujourd'hui, Dieu merci, il y a une, une nouvelle énergie qui est en train d'émerger. Si cette énergie est entretenue sur la durée et que tous les acteurs jouent leur partition, peut-être que dans quelques années, on va sentir un réel changement. Mais avant qu'il y ait ce nouvel élan, il y a eu quand même un grand vide. Et pendant ce temps-là, le vide a fait que le Nigérien s'est détourné de ce qui est nigérien. D'accord Voilà un peu la réalité en fait. Saïd Souley Mahamadou, euh, quelles sont les opportunités d'affaires possibles, notamment pour l'économie nigérienne, si les Nigériens consommaient réellement nigérien Mokhtar, il y a quand même une, une évidence aussi au Niger. Vous savez qu'on dit aujourd'hui dans les grandes évaluations, si vous prenez le doing business, nous sommes un pays qui est très performant, en tout cas ces cinq dernières années. La preuve, c'est que cette année, nous sommes 143e euh, sur 190 pays, alors qu'il y avait juste 4 ans, nous étions 174e. Donc on a gagné euh, euh, d'impact. Maintenant, en dehors de ça, si vous prenez par exemple l'indice de développement humain, on vous dit que nous sommes les derniers. On a fait un débat ici il n'y a pas très longtemps. Mais aujourd'hui, le Niger, pour moi en tout cas, et je suis convaincu que je ne dis pas n'importe quoi, euh, c'est un pays d'opportunité. Un pays d'opportunité, pourquoi C'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, c'est comme si c'est une terre vierge si vous voulez investir dans l'agriculture, il y a de la terre pour investir dans l'agriculture. peut-être il va manquer un financement, n'est-ce pas Il faut être un peu ingénieux, mm. ainsi de suite. Dans beaucoup de domaines, il y a des opportunités. En plus, même si vous voyez 5-10 entreprises sur le même créneau, cela ne veut pas dire que le créneau est saturé. Au contraire, plus il y a d'entreprises, plus ça peut créer un effet positif d'émulation. Donc, le seul problème qui s'est posé au Niger, c'est que beaucoup de Nigériens jusqu'à aujourd'hui ne sont pas convaincus des opportunités qu'il y a pendant longtemps, en fait, ce qui s'est passé dans notre pays, vous savez, on a inversé les choses. Dans beaucoup de pays, là où on met la dynamique, c'est dans le secteur privé. Nous, au Niger, pendant de longues années, ce qui obsédait le Nigérien, c'était le secteur public. Chacun veut avoir une place dans l'administration publique. Si vous avez fait vos études, quelles qu'en soient les études que vous avez faites, vous voulez que l'État vous, recrute. Or, les pays qui avancent, où le secteur public ne crée pas la richesse la richesse est créée par le secteur, privé. Le secteur public, son rôle, c'est de créer un cadre. Un cadre qui va favoriser un jeu équitable, un jeu serein pour les citoyens qui veulent agir, hein, qui veulent créer. Donc aujourd'hui, le Niger, je pense qu'on commence progressivement à comprendre ça. Et si vous voyez ces dernières années, il y a quand même de plus en plus de la communication autour du secteur privé. Et plus les Nigériens, de quelque niveau que ce soit, apprennent à saisir les opportunités, mieux ça va aller. Et aujourd'hui, le, bon côté, c'est qu'il y a aussi des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger dans tous les domaines. Vous prenez par exemple, il y a quelques années, on ne parle pas d'énergie solaire. Aujourd'hui, on parle d'énergie solaire. Et qui dit par exemple énergie solaire des techniciens dans le domaine des énergies solaires, dit même peut-être un jour des fabricants de, euh, des produits d'énergie solaire. Il y a quelques années, l'environnement. Il y a tellement de nouveaux métiers. Hier seulement, je me promenais à Kwarakano, je vis un jeune qui a innové. Il a fait un, lavage ambulant. Un lavage, auto-ambulant. Wash mobile. Ben, ce jeune-là, pour moi, c'est un très bon entrepreneur parce qu'il a diagnostiqué un problème. Regardez, on protège l'environnement, n'est-ce pas Vous êtes chez vous, votre véhicule est sale, il se déplace, il vient, il vous la lave. Hmm? Il peut faire le tour dans plusieurs endroits et puis, bon, il crée un cadre pour ne pas verser beaucoup d'eau usée parce que je l'ai vu même avec des, des sortes de bidons dans son... Il y a tellement de choses à faire dans notre pays mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui quand même, on a beaucoup de Nigériens qui sont cristallisés sur le public. Le Est-ce que c'est pas à cause du manque de financement Non, mais le financement, le financement n'a jamais été un problème. Vous savez, moi je peux comprendre qu'on me dise qu'il n'y a pas souvent les compétences nécessaires. Le financement, c'est un moyen, mais le moyen, c'est les hommes qui les créent. Quelquefois, doter les hommes de bonnes compétences et vous résolvez le problème. Aujourd'hui, je pense que il faut de plus en plus former professionnellement les jeunes nigériens. Et de plus en plus, on voit quand même des initiatives dans ce sens. Par exemple, vous voyez, moi je vois par exemple aujourd'hui, rien qu'avec euh, un projet que je connais assez bien, le PRODEC, qui forme les jeunes dans les métiers mécaniques, plomberie, tout ça. C'est comme ça qu'on on développe un pays. Quand on forme les gens dans des métiers et que ces métiers-là, les gens arrivent à les exercer, se développer et créer hein, des valeurs, et là, ils vont créer la finance. Euh, quelqu'un a utilisé d'ailleurs <laughs> un acteur de la société civile, il dit donner une pluie d'argent à des gens qui n'ont pas les capacités, ils ne vont rien faire avec. Ils vont seulement gaspiller. Ils vont seulement gaspiller. Donc aujourd'hui, la problématique, ce n'est pas seulement le financement. Et même dans l'entrepreneuriat, nous, chaque fois, je, quand on discute avec les jeunes entrepreneurs, moi je leur dis, ayez d'abord une bonne idée et de l'enthousiasme. Si vous avez ces deux-là et que vous persévérez, le financement viendra de lui-même. Parce qu'il n'y a aucune banque dans ce monde qui va vous donner l'argent comme ça, sur aucune base. Même aux États-Unis, on nous fait fantasmer, on nous dit, dès que vous avez un projet, on vous, finance. Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Quelquefois, on vous évalue, on voit ce que vous valez d'abord avant de vous financer. Il faut faire les premiers pas. Voilà. Il faut faire le premier pas, il faut être prêt à mouiller le maillot pour son idée, pour son projet, pour avoir un financement, pas l'inverse. Soumaïla Abdusadou, en tant qu'observateur de la scène publique et consommateur, comment appréciez-vous autour de vous le comportement des Nigériens face aux produits locaux Monsieur Seydou l'a dit, les Nigériens ne consomment pas du Nigérien. Et moi, je vais, je vais aborder sous un autre angle politique de la chose. Parce qu'il faut se dire la vérité en face. Le politique ne fait rien dans ce sens-là. L'alpha et l'oméga, de cet abandon-là des Nigériens, de la consommation de leurs produits locaux, disons, c'est les responsables politiques. Parce qu'aujourd'hui, la cité, ceux qui gère ça, et ceux qui sont en charge des politiques publiques, c'est eux qui doivent mettre ça au cœur de leurs préoccupations. Et quand ils abandonnent ces terrains-là, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, le chef de l'État, il s'investit assez dans cette affaire de zone de libre et sans échange. Il pourrait bien concentrer, focaliser toutes ses énergies pour se battre afin de faire promouvoir la consommation des produits local. Et de ce point de vue, nous, aujourd'hui, on a un tissu économique assez faible. Nos producteurs ne sont pas du tout encouragés. Du coup, maintenant, on se envahi parce qu'il est le champion, on dit, du libre-échange. Donc, tout le monde va déverser ses produits ici. Et qui va en perdre les perdants, ce sont nous, nos petits producteurs que l'État n'accompagne pas. Moi, de ce point de vue, je salue la posture de certains chefs d'État qui ont été lucides quand même ils ont un certain tissu industriel fiable, ils ont décidé de ne pas adhérer au traité parce qu'ils savent les conséquences. Et c'est ça la responsabilité de l'État, protéger le produit local, amener les citoyens à aimer leurs produits et à aimer leur patrie. Parce que on se désintéresse de la patrie même, au-delà du produit. Les Nigériens, il n'y a pas cette euh, solidarité ou bien cette qui a tendance à disparaître. cette conscience sociale de s'attacher au pays, de s'attacher à tout ce qu'il qui vient du pays. Et, malheureusement, c'est clair, il faut, il faut les déplorer. Et c'est ce que nous vivons. Moi, ça me donne énormément d'espoir quand je vois des Nigériens se battre pour remettre cette page à, jour et jour, essayer d'actualiser cette donnée-là pour que les gens s'intéressent davantage à ce qui est produit au Niger, que nous aussi, on peut vivre H24 et tout ce dont on a besoin qu'on peut les trouver au Niger et vivre de ça. Maintenant, il faut, eux, ils font, c'est des anonymes. Ce qu'ils font ne suffit pas. Il faut que le politique à l'artillerie lourde, c'est-à-dire les moyens qui tracent les politiques publiques et qui les conduit, puissent s'investir et les accompagner. Et malheureusement, c'est là où il y a l'échec total. Il suffit pas de faire des discours crus, de dire oui, on les accompagne, c'est des belles initiatives. Oui, on prend ça comme un slogan, parce que pour eux, c'est un slogan, parce que tout ce qui peut mobiliser les gens, ils se retrouvent un groupe de gens, ils voient comme si c'est des militants pour eux, ils vont s'adresser à eux, on va les applaudir. Après, ils tournent le dos, rien ne suit. Et malheureusement, nous sommes dans ce schéma-là. Vous voulez dire euh, que c'est aux autorités de donner l'exemple Bien sûr, chaque fois, vous voyez, par exemple, le chef d'État burkinabé, comment il s'habille, à l'extérieur, partout et, dans leur comportement, les Burkinabés, ils consomment local. Maintenant, vous voyez, même la farine de maïs que les gens consomment, maintenant dans les foyers, ça vient du Burkina et ils consomment pour eux. Pourquoi nous, on ne peut pas produire de la, de la farine de maïs, mettre dans nos sacs et vendre partout Ce n'est pas, pas un type de maïs qui vient de Mars ou quelque part. C'est toujours le maïs. Ça, il n'y a aucune distinction entre leur maïs et le nôtre. Il a bien parlé du riz. Et voyez le riz nigérien, comment il s'est fait. Il s'est fait rare dans les foyers. C'est pas les gens, c'est pas accessible. Il y a l'aspect accessibilité. Et puis, quelque part, par exemple, il doit être imposé. À un moment donné, c'est ce qui se faisait. Il y a un certain tonnage qui est imposé aux commerçants, assez important. Tu dois compléter avec ce que tu importeras. Mais malheureusement, du fait que les politiques, il y a une certaine collision d'intérêts politiques et économiques, fait en sorte que ce verrou-là a sauté. Parce qu'ils sont capables, les mêmes commerçants, qui n'ont pas ce sentiment-là, qui n'ont pas cet esprit, parce qu'il faut qu'on leur inculque ça, ce patriotisme économique-là la préférence nationale. Il faut qu'on leur impose. Si tu importes du maïs ou bien du mil ou bien du riz, il faut que... Il faut tenir compte euh, du tonnage euh, Exactement. Local. Oui, et ça, c'est pas à M. Seydou ni à Mme Rabi d'imposer ça aux, commerçants. C'est à ceux qui ont les douaniers à la, à la, frontière qui les maîtrisent, ceux qui ont les agents du fisc et ceux qui ont plein de choses, les instruments de l'État, pour pouvoir imposer ce comportement-là, afin que nous puissions consommer le produit local. Parce qu'il est, il est extrêmement important de parler de patriotisme économique. Et tant que nous, on, on ne va pas vers cette logique-là, on ne la développe pas, je pense que euh, notre pays serait comme abandonné aux autres. Parce que c'est Est-ce que c'est pas un problème de qualité ou, de prix Non, non, absolument pas. C'est pas les prix. Regarde, il faut voir comment ceux qui les produisent, comment ils triment, comment ils, ce qu'ils gaspillent comme énergie, comme moyen. Parce qu'il y a toujours l'accompagnement de l'État l'État doit faire, eh, pour se faire, un certain protectionnisme, mais avec assez d'intelligence. voyez, par exemple, aujourd'hui, je vais vous citer un exemple. L'État a décidé la libre circulation. C'est quelque chose que là, les pays l'ont signé. Mais malheureusement, on se rend compte, vous voyez cette question des migrants, l'État bloque. Les citoyens de la CDAO, de la zone IMOA ou CDAO, ne circulent pas comme ils veulent dans ces pays-là. Donc pourquoi, au nom de quoi nos produits aussi, on ne peut pas les protéger C'est clair, ça, ces questions doivent se poser. Cette question, elle doit se poser. Si on dit, non, les Burkinabés, les Maliens, on les empêche d'aller à Agadez ou d'aller... Alors qu'ils ont le droit, notre pays à signer ces protocoles de libre circulation. Mais au nom de quoi nous produits aussi, nous ne pouvons pas les protéger. Rabi Arzika. Vous avez quelque chose à ajouter à ce niveau Je trouve que ce qu'il a dit est extrêmement pertinent. Effectivement, quand on a signé des traités, il faut les respecter. Nous, on est un pays où on veut toujours respecter. On est très loyaliste vis-à-vis de l'extérieur, mais pas vis-à-vis de nous-mêmes. Le Nigérien, c'est ce qu'on dit d'habitude les Nigériens, parce que c'est nous quand même, les Nigériens. Ce qui est important à retenir dans ce qu'il a dit, c'est que aujourd'hui, parlant de la préférence nationale, je pense que l'État doit faire un pas effectivement, doit faire un pas pour se manifester. Tous les pays de e moi aujourd'hui, les, chefs d'État se sont engagés véritablement. Il y a des pays aujourd'hui, même quand on a dit même libre circulation, même de libre circulation des personnes là, il y a des pays dans lesquels le ne peut pas aller faire ce qu'il veut. Mais nous, on est même plus ouverts. Je trouve on est très ouverts. Maintenant, par rapport aux produits, le Sénégal, s'est levé, il a fait un discours. Au Burkina, tout récemment, ils ont dit carrément à aucun événement national, tu ne peux venir avec une tenue importée. Si on dit 18 décembre, là, tu peux jamais aller en veste il faut regarder la fête prochainement du, Burkina, vous allez voir comment ça va se passer. Donc, mais je pense que nous, on n'a pas fait ce travail comme c'est a dit précédemment, parce que eux, ils ont gardé au moins sur le tissage au Burkina, au Sénégal, ils ont gardé une identité vestimentaire. Mais nous, on n'avait pas fait ce travail de garder une identité. Aujourd'hui, on a perdu le tissage même. Et je pense que c'est pas en terra terra que les gens vont s'habiller pour sortir. Vous voyez un peu. Donc, c'est juste pour dire la préférence nationale, il va falloir qu'on l'affirme il va falloir que l'État s'implique pour dire non à telle ou telle chose. Et c'est quand on va dire non, quand Buhari s'est décidé à dire pas de riz dans mon pays. Aujourd'hui, ils sont en train d'être, de se positionner comme un très bon producteur de riz dans la sous-région. Et donc, c'est une question de volonté et de décision. Donc, c'est un peu ce que je voulais soutenir. Rapidement, c'est de En fait, ce qu'on dit est très pertinent. Au Niger, en fait, euh, vous savez, il y a une chose qu'on n'a pas réussi à faire aussi, qu'on a du mal à faire, mais qu'il faut qu'on investisse. Par exemple, la question des champions nationaux. Mm. La plupart des pays qui ont réussi, qui ont fait euh, développer leur économie, ont eu à cœur aussi d'encourager des champions nationaux, d'avoir des fleurons. Je prends un exemple. Au Nigeria, Dangote. Vous savez, moi j'ai entendu des anecdotes sur Dangote, où on disait quand il avait commencé, avant le Nigeria, je pense que c'est les Indiens ou d'autres pays qui amenaient du, du ciment très bon marché, qui était bien. Mais à un moment, les gens se sont dit, mais il y a quand même des entreprises nationales qui essaient de faire. On a créé des mesures pour décourager un peu l'importation et on l'a impulsé. Et ça a permis à ce monsieur-là de se développer. Aujourd'hui, il importe, il exporte d'immenses ciment un peu partout. Mm. Quand on exporte, ça veut dire quoi Qu'on fait rentrer des devises chez soi. Ça veut dire aussi, vous savez, au-delà de ça, il y a toujours une question de domination dans une économie. Lorsque vous, vous, vous arrivez à exporter, ou bien à développer vos entreprises jusqu'à aller sur d'autres marchés, vous devenez un acteur majeur sur ce marché. Je vous prends juste un exemple simple. C'est comme aujourd'hui, quand vous prenez au Niger par exemple, certains pays africains qui ont eu une bonne politique depuis des années d'agressivité économique, qui ont développé leur marché intérieur, comme le Maroc par exemple. Enlevez le Maroc dans le système financier nigérien aujourd'hui, vous verrez ce qui va se passer. Mais ces gens-là, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ils, ils misaient déjà sur le développement de leurs champions nationaux. Et quand les champions ont mûri, ils, sont, ils les envoient à la conquête du monde. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on doit faire au Niger. S'il y a des entreprises nigériennes qui ont un potentiel, il ne faut pas qu'on les tue. Il faut qu'on crée les conditions pour qu'ils réussissent localement, mais qu'il se développe. Parce que quand ils vont se développer, nous, on voit seulement M. XY qui s'enrichit. Mais au-delà de lui, c'est le pays qui s'enrichit. C'est le pays qui devient plus fort. C'est de Souley Mohamedou, la concurrence des produits étrangers est-elle une réelle menace pour les produits nigériens Si oui, comment l'expliquer Non, c'est une vraie menace si nous ne faisons rien. Lui, il l'a dit, moi par exemple, il y a une façon de lire ça. Vous savez, quand euh, notre ami euh, disait que la, euh, disait que la zone de libre euh, échange, tout ça, il y a certains, il y a certains, il y a certains chefs d'État qui n'ont pas, qui n'ont pas signé. Moi, je pense que c'est pas très smart, hein, comme disent les Anglais, aujourd'hui de se fermer hermétiquement. Et le fait que le Niger ait conduit ce processus est une très bonne chose pour notre pays. Pourquoi Parce que de toutes les façons, le monde est déjà ouvert. Qu'on signe des papiers ou pas, on est sur un village planétaire. Donc, le plus important, ce n'est pas de dire moi je me referme ou bien je. Non, il faut juste savoir bien jouer. Aujourd'hui, avec euh, la zone de libre-échange, il y a une réalité qui est là. C'est comme vous dites, si on ne fait rien, nous allons être là, la, poubelle du monde même. Même pas un marché où on déverse tout, hein, où on va déverser même la mauvaise qualité. Donc, vous voulez dire que le Niger va être euh, un sujet et non un acteur Effectivement, si nous ne faisons rien. Mais si, aujourd'hui, nous savons que notre chef d'État a été le champion. Il a fait signer les autres. Mais comme on a signé, on ne doit plus dormir à ne rien faire. Donc, premièrement, lui-même, je pense qu'il est conscient de ça. Il doit booster les industries nationales. Il doit faire en sorte que le produit nigérien lui-même, parce que il y a une chose qu'on n'explique pas suffisamment au Niger. Vous savez qu'aujourd'hui, Al-Kaki, n'est pas produit uniquement pour les Nigériens. Celle qui produit Al-Kaki aujourd'hui peut le vendre dans toute l'Afrique. Mais c'est Comment est-ce que cela peut-il être euh, réel sur le terrain quand des premières dames achètent leurs articles à Dubaï Je vais euh, ça. Tu sais, c'est très facile. Hein. Moi, je pense que c'est vrai. Quand quelqu'un dirige, il a le dos large. Hein. Mhm. Mais moi, comme je te disais, tout comme Rabi, on était quand même dans le comité qui a organisé 100% Made in Niger. Et je peux te dire, il y a eu plusieurs euh, réunions au cabinet de la première dame, Malika. Moi, j'étais personnellement, euh, je pense que nous tous, on était surpris par son enthousiasme. Donc, c'est très facile de dire qu'elle fait ses emplettes, mais aujourd'hui, en fait, la nuance, c'est que certaines choses, on ne peut pas les réaliser dans un pays lorsqu'on ne crée pas un grand consensus national. On peut ne pas être d'accord sur tout. Et on a besoin toujours des gens qui apportent des contradictions dans, dans, dans une dynamique pour qu'on avance. Mais il faut qu'on s'entende sur les essentiels. Les essentiels, c'est quoi Quel qu'en soit le bord où on qu'on soit de la société civile, qu'on soit dans un parti politique, qu'on soit euh, entrepreneur, si le Niger se porte bien, on se sentira bien. D'accord Et c'est comme le disent les Américains, ils disent que vous soyez démocrate ou républicain, si la santé marche bien, vous allez, quand vous tombez malade, vous partez à la santé. Si l'école marche bien, votre enfant est dans le système. Donc il y a certaines choses, c'est tellement essentiel que c'est au-delà des clivages. Et la question de consommation nigérien aujourd'hui, moi je pense qu'elle doit être au-delà de tout clivage. Tant qu'on se sent nigérien, ou vivant au Niger et qu'on a besoin de voir que ce pays avance, ça nous concerne et ça doit nous concerner positivement. Rabia Ardika, en tant que femme, vous savez bien que euh, les filles et femmes nigériennes importent des meubles pour leur mariage pendant que les expatriés qui ont plus de moins se contentent de la fabrication des artisans et menuisiers du Niger. Euh, comment expliquer ce contraste <laughs> Le problème, c'est que les gens ont juste le complexe de dire je viens, j'ai acheté à Paris, mon j'ai acheté. Des... Pendant effectivement nous, nous pensons qu'il faut acheter des meubles. Moi, je suis restée au village artisanal, j'ai travaillé longtemps c'est moi, j'ai installé les menuisiers du, du, village. Je vous assure, au village artisanal, j'ai un menuisier au village qui m'a fait un meuble depuis 2000, depuis 98, jusqu'à aujourd'hui, il tient, depuis 1998. Et plein de meubles là où je l'ai recommandé. Et aujourd'hui, c'est lui qui met tous les meubles de, de l'Union européenne. Ils font des choses. Mais jamais des un ministère, on va lui demander, viens me faire un bureau. Parce qu'on pense que on a des commerçants qui sont nos militants. Il faut les aider. Parce que c'est ça aussi. Donc, c'est peut-être parce que aussi ces commerçants ne savent même pas qu'ils peuvent commander. Le seul moment où les commerçants commandent auprès des artisans, c'est que j'ai toujours déploré, c'est quand on dit par exemple les tablements. Les tablements que l'État achète, S'ils achetaient simplement directement auprès des producteurs, ils seraient devenus ce qu'on attend aujourd'hui des vraies industries. Mais malheureusement, on utilise des intermédiaires, commerçants, politiciens, qui vont multiplier dix fois le prix de l'artisan pour venir servir à l'État. C'est que moi, je trouve que qui ne soit pas normal. Aujourd'hui, si simplement l'État aussi baisse un peu son regard vers ses menuisiers pour dire, bon, désormais, les tables, bon, on offre à la Fédération des menuisiers qui, qui doivent équiper. Eh, non. on peut faire l'appel d'offres maintenant en les encadre à bien monter leur appel d'offres. Mm. Parce que le problème, on ne peut pas juste dire qu'ils ne sont pas capables de correspondre aux désidérata de la Banque mondiale pour être conformes au marché, mais est-ce qu'on leur a dit ce qu'il faut faire pour être conforme On leur a jamais dit. Mais simplement, on pense que c'est un commerçant qui a un NIF. Mais eux-mêmes, ils ont des NIF, c'est des coopératives, c'est des fédérations, ils sont organisés. Mais on préfère toujours mettre un intermédiaire. Moi, par exemple, ça, ça fait partie de notre combat. Parce que je trouve que c'est injuste que quelqu'un vive, euh, que toi, tu es assis dans ton bureau, tu vis du métier de quelqu'un. Alors que lui, il est là, il est devenu comme un serviteur pour toi. Il est, assis. C'est ça le problème qu'on a, par exemple, dans le domaine de l'artisanat. Tout ce qu'aujourd'hui on importe. Donc, c'est pas histoire de meubles, de meubles, de meubles. Mais le vrai problème, c'est la question de l'institutionnel. C'est quand l'État va se décider de deux tables j'achète auprès des fédérations des, menuisiers. Et quand il y a des grandes constructions, voilà le quota qui est. Au Maroc, comme il dit tout à l'heure, moi je me rappelle quand on était de l'artisanat, on a fait une mission au ministère de l'artisanat du Maroc, ça fait plus de dix ans. Et à cette époque déjà, le ministère de l'artisanat s'est défendu. C'est-à-dire, tu ne peux pas construire au Maroc aujourd'hui un bâtiment national sans mettre plus de 30%. À l'époque, c'était 30%. Mais je pense que ça a dû augmenter et c'est ça. Mais nous, on ne peut pas prendre des résolutions comme ça. On dit non, non, on a pris des décisions, décisions euh, sous-régionales qu'on ne peut pas... Ah, rapidement, euh, en 30 euh, secondes. Vous savez, sur les productions culturelles, par exemple, au mm. Maroc, moi, ça, je, vis ça. Mm. Si un film ou un, un album musical sort au Maroc, d'un Marocain, il peut avoir, en général, une interdiction formelle de le pirater. D'accord Et vraiment, la police y veille. Hein. Moi, je vis des cas où un film marocain est sorti, vous ne pouvez pas le pirater. Ou alors, si on vous prend, vous pouvez payer les pots cassés. Par contre, un film va sortir à Hollywood le même jour. Vous allez l'avoir au Maroc, dans, ceux qui connaissent par exemple Kaza, mhm. euh, c'est des marchés euh, informels, vous allez le, trouver. Mhm. Et à un moment, ils avaient même eu des difficultés avec Microsoft sur le piratage des Qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dédommagé, ils payaient des dommages à trucs parce qu'ils disaient les logiciels craquaient là. Si chaque Marocain devrait acheter un logiciel d'origine, ils ne pourront pas avoir de logiciels dans leur foyer. Mais les logiciels ne sont pas produits euh, produits au Maroc. Si un logiciel est produit au Maroc, ils ne vont pas accepter que ça soit piraté, même dans leur pays. Soumaïl ouais. rapidement, euh, que recommandez-vous aux décideurs, l'État par exemple, pour une politique visant à amener les Nigériens à consommer les produits locaux Bon, c'est vrai, le monde il est aujourd'hui ouvert, c'est clair, c'est indéniable, mais quand on parle de protectionnisme, il faut le faire de manière intelligente. L'État doit faire ça de manière intelligente, c'est-à-dire euh, booster, créer des gens et encourager, comme il l'a dit. Par exemple, si on prend le cas de cette vendeuse de Al-Khaki, si on lui donne la fourniture, ne serait-ce que les casernes, les formations que qu'on donne aux jeunes militaires, là, si c'est elle qui doit les livrer, et elle peut monter dans ce sens-là. Et également, pour qu'on pourra aller plus vite, faire le, le patriotisme économique, œuvrer dans ce sens. Que ça ne soit pas un slogan, que les politiques ne s'intéressent pas à la question pour s'en approprier. Parce que généralement, c'est comme ça. Et c'est ça qui décourage généralement beaucoup de Nigériens. Dès qu'on voit le visage des non-politiques, on dit que ça c'est, c'est-à-dire certes de s'en approprier du concept. Et du coup, il la vide de toute sa, substance. Et malheureusement, nous sommes dans ce schéma-là. Donc tant que les politiciens, parce que généralement nos politiciens, ils ne sont pas de bonne foi. tout ce qui les intéresse, c'est juste de paraître devant une scène, un public, tenir un discours et au finish vide parce qu'ils ne vont pas accompagner. Donc vraiment, moi, je vous encourage beaucoup et nous aussi, on se joint à vous, mais il faut que les choses, le politique s'y met, qu'il mouille le maillot dans ce sens pour rendre les produits accessibles. C'est pas que les produits ne sont pas de bonne qualité, ils sont de très bonne qualité, mais l'accessibilité, parce que les gens n'ont pas les moyens, c'est des petits producteurs, je peux dire des débrouillards, en quelque sorte. Donc, on ne peut pas produire ça à l'échelle industrielle, à grande échelle. Donc tout de suite et maintenant. Et pour ça, il faut que l'État vienne. Même pas seulement ce que nous consommons, même en termes artistiques. Par exemple, la musique aujourd'hui, les gens aiment tout ce qui est d'Andali, ce qui vient des États-Unis ou bien de la Côte d'Ivoire. Nos artistes, ils, créent, ils ont du génie, c'est indéniable. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on fait On les encourage Comment l'État les encourage Il y le piratage. Bon, le piratage, tout ça, là, mais ça ne doit pas empêcher l'État d'accompagner les artistes. Le piratage, c'est vraiment difficile à éradiquer. Mais l'un de l'autre, les ils doivent sentir que l'État est là à les accompagner. Quelle qu'en soit la chose, qui est là, culture, économique, sociale, invention ou quoi que ce soit, l'État doit accompagner. Si c'est pour que les gens puissent accéder à ça. Des jeunes Nigériens écrivent des ouvrages, il faut rendre ça accessible. Pour, ne serait-ce que dans les bibliothèques, il y a plein d'aspects dans ce domaine-là, mais malheureusement, on ne le fait pas. Rapidement, 10 secondes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, nous devrons être quand même fiers de l'élan qui est en train d'être lancer. Et je, je partage votre inquiétude. Ce n'est pas dans une perspective politicienne que ça doit se faire. Aujourd'hui, il y a un éveil citoyen. Mais les politiciens aussi sont des citoyens. Il faudrait juste qu'on arrive à se donner la main. Et si un politicien n'est pas bon, les citoyens doivent le changer. C'est pour cela qu'on fait une démocratie avec les élections. Et si chaque fois les politiciens ne sont pas bons, ça veut dire aussi c'est la faute des citoyens. Moi, c'est voilà comment je vois ça aussi. Parce que la démocratie nous donne le choix de choisir les hommes politiques. Donc voilà, moi je pense que eh, aujourd'hui nous devons être tous dans un élan d'intérêt supérieur du Niger et que, eh, au nom de cet intérêt-là, peu importe eh, le rôle que nous jouons dans la société, nous avons un devoir à accomplir et ce devoir, c'est de faire en sorte que le Niger progresse. Produire et consommer local reste des leviers de la construction d'une économie nationale dynamique. C'est pourquoi les Nigériens et l'État sont appelés à unir les efforts et faire de la consommation des produits locaux une réalité pour le bien de tout le peuple et de son économie. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir euh, Seydou Souley Mahamadou, directeur général euh, de comme Media, promoteur privé, Rabi Mahamadou Artika, promotrice de la campagne 100% Niger, et Soumeila Abdou Sadou, euh, consommateur. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.